Bonjour chers auditeurs et auditrices, c'est un plaisir encore une fois ce matin de vous accompagner dans cette émission Le Niger sur Kalangou de ce lundi 10 avril 2023 qui est le lundi des Pâques. Nous disons joyeuse Pâques à toute la communauté chrétienne actuellement à l'écoute. Je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi Fanta Chamsou à la fantastique. Pour la présentation, la technique d'aujourd'hui est assurée par Seni Isaka. Et à l'édition, nous avons la grande dame Adama Dawaki. Bonjour Fanta, comment ça va Je vais bien, Seno. Et toi, comment tu vas Alhamdulillah, de mon côté, tout roule comme sur des roulettes. Tranquille, alors qu'allons-nous servir à nos auditeurs ce matin Eh bien, Fanta, ce matin, comme d'habitude, nous allons servir à nos auditeurs un programme bien garni. D'abord, nous commençons avec le flash d'information. Ensuite, le loti des femmes du studio Kalangu, du sport avec notre chroniqueur sportif Abdul Karim Gourouza, sans oublier la culture linguistique et la rubrique hebdomadaire consacrée aux questions de droit. L'écho des régions nous conduit aujourd'hui à Zander, la capitale de Damagaram, pour la célébration de la Pâque dans une famille chrétienne. Il y a également nos rubriques spéciales Ramadan dont des conseils sur les bonnes pratiques du jeûneur avec un prédicateur, des conseils diététiques et enfin la rubrique rose. Mais avant tout, hein, nous recevons comme invité dans cette émission le révérend pasteur Gilles Canlecou. Il est le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu, temple de la puissance de Bukoti. Chers auditeurs, nous débutons cette émission avec le flash d'informations présenté par Ali Tajissir Ahmed. Bonjour Tajissir. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin, Tajissir Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord euh, par le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Le mandat des membres du bureau de l'Assemblée nationale, autre que le président, a été renouvelé samedi à l'hémicycle par les députés sous la présidence du président de l'institution, Seynou Oumarou. Conformément à leur règlement intérieur, les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus chaque année à la première session ordinaire. Ces élections doivent intervenir avant la fin de leur mandat. À l'issue des scrutins, les parlementaires ont élu les 15 membres qui forment le nouveau bureau, à savoir les vice-présidents, les secrétaires parlementaires et les caisseurs pour une période de 12 mois renouvelable. À l'intérieur du pays, la vente à prix modéré des céréales a été lancée ce week-end à Ngonga, dans le département des Boboy, région de Dosso. Cette opération, qui va s'étaler jusqu'au mois de septembre prochain, va toucher environ 200 000 ménages par mois pour une quantité de 80 000 tonnes. Le prix de cette année est établi à 13 000 francs CFA les sacs de 100 kg et l'unité de mesure locale, la TIA, à 325 francs CFA, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Hier dimanche, des individus lourdement armés auraient attaqué un convoi d'orpailleurs sur l'axe Tarabat Arlit au nord-est du Niger. Un bilan non encore officiel fait état de 5 militaires tués, 5 blessés et déportés disparus, rapporte Air sur son site web. Après l'attaque, les assaillants auraient emporté l'arme 12-7 et ont abandonné les véhicules des FDS, précise la même source. Le vendredi passé a eu lieu aussi à Niamey la cérémonie officielle de passation de commande entre les chefs d'état-major sortant, le général des corps d'armée Salifou Modi, et le nouveau chef d'état-major, le général de division Abdou Sidikou Issa. Ce dernier a été nominé lors du Conseil des ministres du passé. Merci euh, infiniment, Tachéchir, pour euh, toutes ces informations. À présent, chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous sommes avec notre invité et ce, le pasteur Gilles Canlecou, Je rappelle qu'il est le pasteur de l'église des, des, Assemblées de Dieu, temple de la puissance de Bukoti. Pasteur, bonjour. Bonjour, bonjour, bien-aimé. bonjour, pasteur, et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec vous, nous allons parler des Pâques. Merci, tout le plaisir est pour moi. Super. Mais avant, comme tous les autres jours pendant ces mois de Ramadan, nous proposons aux jeunes des conseils pratiques de prédicateurs, n'est-ce pas, c'est nous Oui, Fanta, euh, dans la rubrique conseil Ramadan de cette émission, le prédicateur Oustaz Mustafa Ahmadou nous parle des caractères obligatoires, n'est-ce pas, de remboursement du Ramadan. En effet, nous, le mois de Ramadan dure 29 ou 30 jours, un temps pendant lequel les musulmans en bonne santé doivent observer le jeûne comme il est recommandé. Cependant, certaines personnes n'arrivent pas à jeûner tout le mois pour diverses raisons et n'arrivent pas à rembourser les jours manqués. Selon Oustaz euh, Mustafa Ahmadou, membre du Conseil islamique du Niger et prédicateur, ces personnes ont l'obligation de restituer ces jours. On l'écoute, il est au micro de Rafika Attaher. Il est préféré que si c'est 7 jours que vous avez chômé, 7 jours avant le nouveau là, que vous fassiez un effort pour rembourser. Parce que quiconque gêne les ramadans avec foi et avec dévouement, concentration, sans arrière-pensée, alors Allah lui efface tous ses péchés des mois de l'an passé à ces mois-là. Mais voulez-vous perdre ce ce privilèges-là à cause de quelques jours Bien, allez-vous conserver ou tout faire pour avoir ce choses Et si la personne n'arrive pas à rembourser jusqu'au début du prochain ramadan Vous privilégiez toujours celui qui est en cours. Mais il n'y a pas une règle pour dire que voilà ce qui ce qui peut lui arriver. Mais Allah est conscient et il, connaît mieux que la personne elle-même sait qu'elle est, dans quelles circonstances elle est. Donc si elle a fait ça, Amdan, Allah le laissé c'est comme si elle a gêné pour rien. Un hadith qui dit que si vous faites des choses comme ça par rapport au Ramadan, vous chômez ou bien vous gênez quand vous voulez. Le prophète a dit que n'a eu que la soif et rien que de soif. C'était les conseils du prédicateur Oustaz Mustafa Ahmadou au micro de Rafika Attaher. À présent, nous sommes à vous, pasteur Gilles. Alors, euh, première question, dites-nous, les Pâques, c'est quoi Merci. bonjour, euh, chers auditeurs. Et bonjour, bien-aimés, qui sont avec moi ici. Bonjour. Euh, j'aimerais vous dire d'abord tout simplement que la Pâque, c'est une fête institué par Dieu. Mhm. Et j'allais commencer par la définition d'ailleurs, mhm. parce que c'est un mot hébreu qui est appelé euh, Pesach, Pesach, et latin Pacha. Ce mot signifie passer outre ou bien passer au-dessus. Donc la Pâque, pour euh, aller à la définition simple, hmm. c'est sauver travers d'eux. Donc, euh, euh, ça date de, des enfants d'Israël en Égypte. Mhm. Ça date des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'ils ont fait 400 ans en Égypte parce que leur père Jacob, euh, avec ses enfants, se sont rendus là-bas en Égypte parce que Joseph, le fils, je vais dire, le cadet, était vendu comme esclave en Égypte et par la grâce de Dieu, hmm. il est devenu Premier ministre. De l'esclave, il est devenu Premier ministre et puis plus tard, ses parents vont le rejoindre là. Donc à partir de là, les enfants d'Israël se sont multipliés. Ils ont fait 400 ans en Égypte. Entre-temps, les vieux sont passés, les patriarches ont passé, il y avait des nouvelles générations. Mhm. Et dans ces nouvelles générations, les Égyptiens ont vu que les Israélites étaient plus nombreux alors ils ont adopté des systèmes pour les exterminer. Alors, les enfants d'Israël ont commencé à chercher euh, le moyen de quitter mhm. euh, l'Égypte. Donc, euh, Dieu a suscité Moïse, à qui Dieu a ordonné la Pâque. Il y avait eu bien sûr plusieurs événements dont on n'est pas là pour parler de toutes ces choses. Mhm. Mais en fin de compte, c'était la Pâque que Dieu a organisée et Dieu a demandé. Et c'était quoi C'est juste un sacrifice qu'il devait faire. Hmm. chaque famille devait tuer un animal et puis mettre le sang sur euh, les portes et les linteaux et manger la viande la même nuit. Donc l'ange de la mort allait passer mhm. dans les villes et dans le pays d'Égypte et toute maison qui a le sang à la porte et à l'inteau mhm. sera épargnée. Donc l'ange passera outre la maison et tuera les, les premiers-nés dans les familles qui n'ont pas le sang à la porte. C'est pourquoi Dieu a donné ce nom Pâques qui veut dire passer outre. Donc l'âge de la mm. mort passe au-dessus Ça vient de là, En fait. Merci. Mm-hmm. Alors, euh, pasteur, euh, est-ce que, euh, dites-nous, dans quelle autre confession célèbre-t-on la Pâque Bien, merci. comme je l'ai dit au début, ça a commencé avec Israël, donc les Juifs. Mm-hmm. Et, la Pâque s'est tendue vers la nouvelle alliance dont nous appelons communément le Nouveau Testament dans la parole de Dieu. Mhm. Et Jésus-Christ était venu pour accomplir cette Pâque en se donnant comme un sacrifice pour l'humanité. Mhm. Donc à partir de la mort de Jésus-Christ, alors la Pâque n'est plus seulement destinée aux Juifs, mais c'est répandu maintenant dans le monde entier. Mais parlant des confessions qui célèbrent la Pâque, je dirais, que, qu'il y a deux confessions qui célèbrent cette Pâque, c'est les juifs et les chrétiens. Les chrétiens, pourquoi Parce que la Pâque pour les chrétiens, c'est la mort de Jésus-Christ pour le salut, le rachat de l'humanité. Mhm. Et la Bible déclare que quiconque croit à sa mort mm. est sauvé. Donc Jésus est devenu notre Pâque, il est écrit dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens que Christ est notre Pâque. Donc euh, désormais, à partir de Jésus-Christ, euh, tous ceux qui croient en Jésus doivent célébrer cette Pâque. D'accord. Oui. Donc ça fait en réalité deux confessions, donc les Juifs et les chrétiens. D'accord, deux confessions. Est-ce que euh, les deux confessions commémorent de, la même manière la Pâque Je dirais pas exactement, pas exactement, parce que les Juifs gardent l'ancien système. La Pâque, dans l'histoire juive. Oui, et, bien évidemment, c'est quoi l'ancien système Voilà, donc l'ancien <laughs> système, c'est bien, merci beaucoup pour cette question. Mhm. L'ancien système, c'est que chaque famille devait apporter de, un agneau euh, au temple ou dans les synagogues et on devait le tuer. Mhm. Ensuite, ils devaient passer une semaine, mhm. une semaine, donc sept jours, pour célébrer cette Pâque en commémoration de, de, de, la sortie de mhm. leurs parents mhm. en Égypte. Mhm. Donc, euh, la Pâque pour l'ancien système, c'est-à-dire ce que les Juifs font. Donc, euh, eux, ils euh, passent les, une semaine là à célébrer le rappel de ce que Dieu a fait à leur père qui était en Égypte. Donc ils passaient une semaine sans manger du levain, dans les pains, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de, règles. Ils, doivent, ils doivent manger des pains sans levain, ils mhm. doivent manger des herbes amères et rester même souvent hors de la, hors de la ville, mhm. hors des maisons. Ils devaient construire des huttes et rester dedans pendant une semaine pour célébrer cette fête de la sortie euh, de, leur de leurs parents. C'est ce que j'appelais l'ancien système. Maintenant, pour euh, les chrétiens, mhm. euh, c'est un rappel de la mort de Jésus-Christ. Donc, euh, on ne fait pas la même chose. Donc, ce ah. n'est plus l'autre euh, histoire. Voilà, l'autre. Mm. Donc, nous, les chrétiens, nous prenons ce temps-là, euh, souvent la semaine qu'on appelle la semaine de la passion de Christ, c'est-à-dire à partir de mercredi où Christ va commencer à sentir les douleurs, de euh, euh, il va pressentir qu'il sera arrêté. Le jeudi, il a été arrêté, maltraité toute la nuit de jeudi, vendredi crucifié hmm. et mort, ressuscité le dimanche. Donc on prend ce temps pour se rappeler de la mort de Jésus hmm. euh, en, célébrant des cultes dans les églises, souvent des prières et autres. Et le dimanche matin, surtout pour tout le monde, hmm. euh, tous les chrétiens, je vais dire, on célèbre cette Pâque. Hmm. La chose qui nous met ensemble, si je peux le dire, c'est que les dates sont les mêmes et pour les juifs et pour, les, chrétiens. Et, le lundi alors, on se repose, c'est ça le, lundi, de des Pâques Lundi des Pâques, en fait, euh, ça doit être juste un jour férié pour se reposer. Mais les chrétiens prennent ça également pour euh, célébrer euh, beaucoup d'autres choses comme des cultes ou des sorties, mm. la joie en tout cas qui continue. Sinon, généralement, le lundi de Pâques, c'est un lundi de repos. Mm. pour tous ceux qui ont célébré la Pâques. D'accord, pasteur. Avant de continuer nos échanges, marquons une petite pause pour suivre ces conseils diététiques comme nous sommes dans le mois béni de Ramadan, il est nécessaire d'avoir euh, quelques conseils des médecins, n'est-ce pas Fanta Bien sûr, c'est nous. Aujourd'hui, nous évoquons la pratique de jeûne pour les femmes allaitantes. Abdurazak Bello, nutritionniste, estime que la pratique de jeûne a très peu d'influence sur la composition et la quantité du lait maternel. Toutefois, il recommande aux mères de prendre contact avec les agents de santé avant de pratiquer le jeûne. Il est au micro de Fatima Lamiarou. Il faudrait que la pratique du jeûne ne soit pas une contrainte pour la femme et ne soit pas une contrainte pour l'enfant. Dès qu'il y a une des parties qui souffre de cette pratique de jeûne, vaudrait mieux arrêter. Et comme je l'ai dit, souvent cela arrive que soit la mère ait des difficultés avec les vertiges, avec la fatigue, avec la somnolence, donc ça fait en sorte qu'elle a du mal à faire le jeûne. Parce que lorsque la mère, elle a un problème de malnutrition, donc, elle peut avoir plus de difficultés par rapport à la pratique du jeûne. Donc, c'est vraiment au, cas par cas et c'est pour ça que je dis que c'est oui et non. Et c'est pour cette raison que euh, lorsque la femme allaitante décide de pratiquer le jeûne, il faudrait également qu'elle prenne attache avec les sages-femmes ou d'autres agents de santé qui vont l'orienter par rapport à la pratique du jeûne. Voilà, après ce conseil euh, du nutritionniste, chers auditeurs, retour au studio avec notre invité du jour, hein, le pasteur Jules de l'Église des Ensembles de Dieu, Temple de la, patience, de la Puissance de Bukoti. Pasteur Jules, il semblerait que les chrétiens font des jeûnes également pendant cette période de Pâques. Comment se fait ce jeûne Ok, merci. Euh, donc le jeûne de la Pâque dépend des églises et locales, je veux dire, mhm. et aussi souvent de certaines dénominations. Mhm. Donc, euh, par exemple, les catholiques, ils font 21 jours de jeûne. Mhm. De jeûne. 21 jours. 21 jours de jeûne. il y a des églises qui font 40 jours de jeûne, d'autres prennent 3 jours, une semaine, et d'autres ne jeûnent même pas. parce que ce n'est pas, pas une loi biblique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la semaine de la passion. Donc, euh, les gens veulent passer ce temps dans le recueillement mhm. Mhm. pour pouvoir euh, euh, chercher la face de Dieu. Mhm. Donc, ça dépend de toute, personne ou bien toute église. Maintenant, comment ça se fait Il y a plusieurs manières de faire le jeûne. le jeûne chrétien, même en général, lorsqu'on veut parler du jeûne chrétien, en matière de nourriture, par exemple, lorsque vous mangez hier, par, hier à partir de minuit, vous ne devez plus toucher ni l'eau ni nourriture jusqu'au jusqu du soleil du lendemain. Mhm. Si c'est le jeûne d'une journée, donc c'est comme ça. À partir de minuit, vous ne touchez plus rien jusqu'à 18 19 heures lorsque le soleil se couche. ok. Donc euh, euh, ça, c'est le jeûne habituel et général. Maintenant, il y a des manières également de le faire où d'autres personnes, par exemple des gens qui sont un peu, n'ont pas assez de santé mhm. euh, solide, ils peuvent euh, euh, euh, prendre un peu de, des choses légères, mhm. et des légères, je veux dire, et puis continuer. Pendant la journée Une ou deux fois au moins au cours de la journée. D'accord. À, des moments précis où ça dépend Une ou deux fois à volonté. Mhm. Parce que l'objectif de jeûne, c'est de trouver le temps, hmm. devant, de temps dans la prière. Mhm. Ça ne sert à rien de rester à jeun, parce que être à jeun est différent de jeûner. Jeûner, ça a un but passer du temps devant Dieu dans la prière. Mhm. Mais quand tu es à jeun, c'est-à-dire que tu ne manges rien mhm. et tu ne pries pas, tu n'as pas jeûné en réalité. Vous voyez Donc l'objectif, le but essentiel du jeûne, c'est surtout se mettre en contact avec, euh, se mettre dans la prière, mhm. en contact avec Dieu dans la prière. Donc c'est un peu ça le but essentiel du jeûne. D'accord. Oui. Donc, ce qui fait que ça dépend de, des personnes. Et euh, pasteur, on entend aussi parler des œufs de Pâques et des lapins de Pâques. Qu'est-ce que cela signifie <laughs> euh, En tout cas, c'est une très bonne question <laughs> parce que nous avons souvent ces problèmes avec euh, la communauté, mhm. je veux dire l'ensemble du peuple. quoi. Mhm. En réalité, les œufs de Pâques, les lapins de Pâques et tout ce qu'on voit, euh, ça n'a rien à voir avec les Écritures, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la Bible ou la parole de Dieu, mhm. ça n'a rien à voir avec la Pâque biblique. C'est juste une affaire de commerce mhm. que les gens ont créé, mhm. euh, je vais dire même les blancs, pour trouver de quoi euh, agrémenter ou, comme on le dit, des arômes, des arômes pour rendre les choses plus douces. Donc, ils fabriquent des, des, des œufs en chocolat, des lapins en chocolat qu'on vend pour que les gens puissent les acheter. Sinon, ça n'a rien à voir avec euh, le culte euh, ou la confession. Mais euh, est-ce qu'on se fait aussi des cadeaux comme pendant Noël À chaque occasion de fête ou à chaque occasion, mm. les cadeaux sont importants. D'ailleurs, Dieu même nous a fait un cadeau en donnant Jésus la Bible déclare qu'il aime le monde qu'il a donné Jésus, mhm. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est un don. Le cadeau, c'est un don. Mm. Donc, euh, on peut faire des cadeaux à tout moment. Et surtout quand il y a les jours de réjouissance, tels que les fêtes, on peut faire des cadeaux à, nos bien-aimés. Donc, euh, la Bible n'est pas contre les cadeaux, les jours de Pâques, euh, les jours de mhm. ou, comme les jours de Noël ou comme n'importe quelle occasion. Super. un dernier mot peut-être pour la communauté avant de se dire au revoir. Ok. Euh, ce que j'ai à dire à la communauté, c'est que, je l'ai cité tout à l'heure dans la parole de Dieu, 1 Corinthien, la Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, la Pâque, pour nous aujourd'hui, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mhm. C'est très important. Si quelqu'un, je vais parler surtout des confessions chrétiennes, allait fêter une fête, c'est la Pâque plutôt. Parce que la Noël, c'est euh, le rappel de la naissance de Christ. Comme n'importe qui, Jésus est né. Mais s'il ne mourait pas en sacrifice pour l'humanité, Noël n'a pas de sens. Alors, ce que je pouvais dire au peuple, à la communauté, à tous ceux qui nous entendent, c'est que Christ est mort pour le péché de l'humanité. Alors, Christ, notre Pâque, a été immolé, afin que tous, qu'ils soient chrétiens ou pas, comprennent que Dieu veut nous pardonner nos péchés et au travers de Jésus-Christ qui est mort pour le péché de l'humanité, Dieu est prêt à nous pardonner. Alors le conseil que je donne, c'est que nous devons regarder vers le salut que Dieu nous a réservé. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir honoré de votre présence. Merci. Excellente journée à vous et bonne fête à toute la communauté chrétienne. Merci, bonne fête de Pâques à vous aussi. Merci, que Dieu vous merci bénisse. infiniment, euh, pasteur. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire et comme nous sommes lundi, nous parlons de droit avec notre collègue euh, Tarnan. Tarnan, bonjour. Bonjour Selo, bonjour Fanta. Bonjour Tarnan. La semaine dernière, nous avons, nous avons parlé de la détention arbitraire et aujourd'hui, nous allons aborder la question de la détention provisoire, n'est-ce pas en effet, aujourd'hui, nous allons parler de la détention provisoire qui désigne la privation exceptionnelle de liberté d'une personne mise en examen elle est prononcée pendant la phase d'instruction avant toute autre condamnation. Alors, euh, Tarnan, avec euh, nos auditeurs, nous, hein, nous sommes curieux d'en savoir plus sur euh, la détention provisoire. Oui, c'est nous pour en savoir sur la définition, la durée et autres questions relatives à, la détention provisoire. Écoutons cet entretien avec Abdourazak Mazou, doctorant à l'université Ouagadougou. La détention provisoire est une mesure privative de liberté qui consiste à déposer en prison une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants qui puissent justifier sa participation à la commission d'une infraction à la loi pénale. Qui peut ordonner une détention provisoire et pourquoi La détention provisoire est une mesure qui peut être ordonnée par les juridictions d'instruction au moyen d'une ordonnance motivée dans le cadre d'une information judiciaire. C'est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou renouvelée que dans les conditions suivantes. D'abord, lorsque la détention de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés. Ensuite, lorsque cette détention est l'unique moyen pour protéger l'inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. Enfin, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque l'infraction à raison de sa gravité, à raison des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen d'y mettre fin. Quelle est la durée de la détention provisoire la durée de la détention provisoire dépend de la nature de l'infraction qui est en cause, mais aussi des personnes qui sont mises en cause. Pour les majeurs, il faut rappeler que l'article 131, alinéa premier du Code de procédure pénale, dispose que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à l'inculpé et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Au sens de l'article 132, en matière correctionnelle, donc en matière de délit, Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois ans d'emprisonnement, l'inculpé ne peut être détenu plus de six mois après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement de plus de trois ans. Donc, si la personne n'a jamais fait l'objet d'une condamnation ferme antérieure et en matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un délai de six mois. Mais dans les autres cas autres que ceux que je viens de citer, l'inculpé ne peut être détenu plus de six mois renouvelable une seule fois par ordonnance motivée du juge d'instruction, toujours en matière correctionnelle. Et comment t elle en matière criminelle Maintenant, en matière criminelle, c'est l'article 132, alinéa 1 du Code de procédure pénale qui détermine la durée. En matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 18 mois. Toutefois, ce délai peut être prolongé d'une durée de 12 mois par le juge d'instruction au moyen d'une ordonnance non renouvelable selon la même procédure. Donc, en matière criminelle, la durée de la détention provisoire, elle est de 18 mois renouvelable pour une durée de 12 mois non renouvelable. Est-ce qu'il y a à ce niveau des exceptions Il y a certaines infractions pour lesquelles le législateur n'a pas prévu de durée en matière de détention provisoire. Il s'agit des infractions de meurtre, des infractions d'assassinat, des infractions de parricide, empoisonnement, détournement des deniers publics et vol criminel. Pour ces infractions, le législateur n'a pas prévu de durée en matière de détention provisoire. Un mineur peut-il faire l'objet d'une détention provisoire Le mineur maintenant. Le mineur, il faut rappeler que le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire. Mais le mineur qui est âgé de 13 à 18 ans peut être placé en détention provisoire en matière correctionnelle et la durée de la détention provisoire des mineurs en matière correctionnelle ne peut excéder trois mois renouvelables une seule fois pour la même durée. En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de 13 à moins de 18 ans ne peut excéder un an renouvelable une seule fois pour une durée de six mois. Peut-il y avoir une indemnité en cas d'un non-lié Bien sûr, il peut y avoir une indemnité à raison de la détention provisoire. Une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet de détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relax ou d'acquittement. Donc une personne eh, qui a bénéficié d'un non lié peut être éligible à une indemnité à raison de sa détention provisoire ou une personne qui a bénéficié d'un relax devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de simple police, ou une personne qui a bénéficié d'un acquittement devant la cour d'assises ou les chambres criminelles peut effectivement être éligible à une indemnité à raison de sa détention provisoire. Et l'indemnité est allouée par une décision souveraine d'une commission qui est composée des trois magistrats de la Cour suprême. Voilà, Tarnan, euh, à l'instant, c'était bien votre entretien avec euh, le doctorant Abdurrazak Mahazou. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien Sinon, je crois que nous sommes bien édifiés par rapport à, à la détention provisoire. Mhm. Nous avons vu beaucoup de choses, euh, mais partie indemnité a attiré notre attention. C'est en ce sens que nous avons appris que quelqu'un qui a bénéficié d'un non lié peut avoir droit à une indemnité allouée par une décision souveraine d'une commission composée des trois magistrats de la Cour suprême. Merci beaucoup, Ternan, de nous avoir édifié sur cette question. À présent, c'est nous, il est temps pour nous de prendre soin de nous avec les conseils de la rubrique rose. <laughs> Eh oui, amis auditrices et auditeurs, si vous venez hein, de nous prendre en cours, vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangou à travers nos radios partenaires et sur notre site internet www.studiokalangou.org. C'est l'heure de la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Et la rubrique rose jusqu'au bout des ongles nous rend enseigne en cuisine ce matin sur quelques recettes d'infusion au tamarin et au quinqueliba. Le quinqueliba, c'est un arbuste d'Afrique subsaharienne. Ses feuilles sont consommées en tisane ainsi que dans la médecine traditionnelle. Également dans l'espace euh, beauté, nous aborderons hein, bien évidemment quelques conseils pour avoir euh, une odeur agréable tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, c'est Rama Madame et on continue avec les bons plans en cuisine. J'ai choisi quelques recettes d'infusion que vous pourrez tester dans ce mois béni et déguster après une journée entière de jeûne. Recette numéro 1, infusion au tamarin. Pour cette recette, il vous faut bien évidemment du tamarin, quelques feuilles de basilic, de la citronnelle, de la menthe, des clous de girofle, de la cannelle et de l'ananas, y compris la peau. Donc, euh, pour procéder, il faut porter de l'eau à ébullition, ajouter la menthe, la citronnelle, un petit morceau de cannelle, la peau d'ananas, les clous de girofle et le tamarin et laisser le tout s'infuser. Mixer ou malaxer l'ananas L'ajouter et retirer du feu. Tamiser et sucrer selon votre goût. Servir bien chaud. Pour la recette numéro 2, il s'agit d'une infusion au quinqueliba. Et pour cette recette, il vous faut des feuilles de quinquéliba, du zeste de citron, de la peau d'ananas, un peu de gingembre râpé, de la citronnelle, de la menthe, du basilic et quelques coulis de girofle, de la cannelle et de l'anis étoilé. Ça, c'est facultatif mais un goût épicé donne toujours en plus aux infusions. Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients et les laissez bouillir pendant au moins 20 minutes, puis laissez s'infuser. Ajoutez le jus d'une orange, sucrez selon votre goût et servir bien chaud. Bonne dégustation. Coucou les filles, vous allez bien toujours dans l'espace beauté. Nous continuerons avec les conseils pour avoir une odeur agréable. Conseil numéro 4, faire attention à son alimentation. Les aliments qui dégagent une forte odeur comme l'ail, les épices, les oignons peuvent s'infiltrer par les pores. Gardez cela à l'esprit la veille de tout événement important ou d'un rendez-vous romantique. Conseil numéro 5, bien choisir ses vêtements. Privilégiez les vêtements qui permettent une bonne ventilation, jupe, robe, chemise et t-shirt. Les vêtements trop serrés autour de votre votre et limiteront les flux d'air et entraîneront des bouffées de chaleur. De même, choisissez bien les tissus que vous portez. aptés pour des fibres naturelles comme le coton et le lin, qui sont tous les deux tissés de manière à laisser passer l'air. Ils gardent au frais plus longtemps, sont abordants et sèchent plus rapidement, donc ils peuvent affronter quelques fuites sous les aisselles avant d'afficher des oreilles. Conseil numéro 6 s'est sous les bras. La cire peut s'accrocher au poil et s'infecter. C'est ce qui peut provoquer une odeur acre provenant de nos aisselles. S'épiler sous les bras peut être la solution au problème de mauvaise odeur corporelle. En plus, la peau sert de base pour l'application de l'antitranspirant qui peut pénétrer directement de la peau. Conseil numéro 7. Testez le Botox. Si vous souffrez toujours de transpiration excessive et que vous n'avez pas trouvé la solution efficace pour l'indiquer, dans certains cas, les médecins peuvent vous conseiller des injections sur les aisselles, comme le Botox. Elles vont bloquer la voie chimique qui stimule nos glandes sudoripares, minimisant ou empêchant la production des sueur dans cette zone. Cette technique doit être effectuée impérativement par un professionnel de la santé expérimenté. Voilà les filles, c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. Voilà, c'est nous. Maintenant, c'est l'heure de faire un tour à l'intérieur du pays. Oui, Fanta, direction Zander, la capitale de Damagaram, pour découvrir à travers le reportage de notre correspondante Zara Boukar comment la fête de Pâques est célébrée dans une famille chrétienne. Ensemble, nous allons louer et célébrer l'Éternel pour euh, cette opportunité, pour cette journée, pour ce privilège de le célébrer ce soir. À Zender, ce dimanche, ils se sont retrouvés ensemble autour de leur pasteur pour chanter et louer la victoire de la vie sur la mort. Cette fête est très très significative pour moi en ce sens que toute la vie de l'éternité est centrée sur Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous nous, sommes retrouvés au pied d'une colline pour veiller en même temps dans la prière. Parce que c'est là-bas où Jésus-Christ a été crucifié. Nous symbolisons la colline comme étant un lieu de recueillement pour célébrer la Pâque dans la prière et la veillée. C'est pourquoi nous sommes, euh, nous sommes ici la communauté toute entière chrétienne doit veiller à ce que la paix s'instaure, l'amour et surtout prêcher la bonne nouvelle. Pour les enfants, cette fête est d'autant plus importante du fait qu'elle se célèbre en famille autour d'un somptueux repas tout en louant le Seigneur. shine yake burge ni muna yin tuwon sallah muna yin wakoki a gida abin da ya burge ni shine kowa yana zawa iglesia ana zawa tare ana dariya babu yin fushi a ciki kuma ana yin waƙoƙi ana adoron jesus hallo abin da ya burge ni a cikin waga shine wanga yesu ya mutu ya tashi domin mu don mu samu na har abada ni ina sallata ga ubangiji na mai tsarki yan uwana yara ƙanana ina ce musu su tuba daga almasihu mai tsarki a la maison aussi on chante on loue le seigneur on prie et on prépare le repas pour distribuer aux gens en leur disant qu'on qu fête notre fête de la résurrection de Jésus. En famille, maman prépare des bons repas. Et on prie, on chante avec notre papa et notre maman. La nuit, on organise plein de choses amusantes à la maison pour célébrer l'éternel. Qu'est-ce que tu vas dire à tes frères et sœurs chrétiens qui sont dans le monde D'être toujours à côté de Dieu. Sinon, si Dieu était mort, qu'il ne s'était pas réveillé, on ne va pas avoir la santé et on va être méchant comme tous les autres. Une célébration de Pâques sous les signes du pardon, mais aussi et surtout de prières pour notre pays en proie depuis des années à l'insécurité. Voilà, c'était le reportage de Zara Boukar, hein, qui est d'ailleurs en ligne avec nous. Bonjour Zara. Bonjour. Bonjour Zara. Bonjour Fanta. Comment tu vas ça Et eh, Zender, alors, euh, on vient d'écouter ton reportage sur la, la Oui. Mais on se demande comment était l'ambiance à Zender hier. En tout cas, l'ambiance était à son comble hein, hier, surtout au niveau des églises. Mhm. Ils ont célébré dans la communion la fête de Pâques ou la résurrection de Jésus. Mhm. Mhm. Et, euh, à l'instar des autres années, euh, la fête s'est déroulée hein, pour la plupart en famille, en partageant avec la communauté musulmane avec qui ils vivent en symbiose. Justement, la, cohabitation, elle est comment à Zender En tout cas, c'était vraiment très bien hier. Euh, ils ont partagé euh, cette ambiance euh, festive avec la communauté musulmane, mhm. et surtout avec des plats somptueux distribués, et surtout aussi aux nécessités. Ok, d'accord. Alors, il y a eu des, des animations spéciales euh, pour cette fête ou bien c'était juste euh, euh, un moment de retrouvailles dans des différentes églises où il n'y a pas eu une sortie, je ne sais pas, un concert spécial dédié à la fête Non, il n'y a pas eu toutes ces choses-là. Mais comme d'habitude, ils, ont, se sont retrouvés au niveau de leurs églises pour chanter, louer le nom du Seigneur. Merci beaucoup, Zara. Bien, Excellente journée à vous. Merci à vous. Et très bonne rupture de jeûne. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, c'est nos place au sport avec notre chroniqueur du jour, Guruza Hasumi Karimou. Bonjour Guruza. Euh, bonjour Fanta, bonjour alors, euh, Grouza, ce matin, la Côte d'Ivoire va accueillir la, 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Effectivement, Fanta, et on va parler des sites d'abord. Les six sites ont été retenus euh, par la Confédération africaine de football CAF euh, pour le grand événement continental du foot. Et cinq villes ivoiriennes ont été également choisies. Il s'agit d'Abidjan, Boaké, Kourougou, San Pedro et Yamoussoukro, la capitale. D'après, d'abord, nous allons euh, commencer avec le stade olympique d'Embempe, qui est d'ailleurs le plus grand stade euh, du pays en Côte d'Ivoire, avec 60 euh, 000 places. C'est un stade situé en banlieue d'Abidjan. Puis, le stade de la paix, qui est construit à la faveur de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, en 1984. Il dispose, lui aussi dispose de 25 000 places au début, mais avec les rénovations pour euh, la compétition aujourd'hui, mm. euh, le stade compte 40 000 places. Le stade Félix Oufeu Boigny d'Abidjan, comme on l'indique, comme son nom l'indique, c'est le plus ancien stade du pays. Il est situé en plein cœur d'Abidjan. Il y a le stade également Amadou Koulibaly de Korogo, 20 000 places, et celui de Yamoussoukro, 20 000 places également, et celui de Saint-Pedro, 20 000 places. Alors, Gourouza, parmi hein, ces stades, deux seulement n'ont pas de nom. Oui, effectivement, et sinon, euh, maintenant, euh, ces c'est chose faite. Et euh, celui de Yamoussoukro est baptisé Charles Conan Mbani. Charles Mbani, c'est l'ancien premier ministre ivoirien mhm. de 2005 à 2007. Le stade de saint Pedro euh, prend le nom de Laurent Pocou. Laurent Pocou, d'après euh, la légende du football ivoirien, Pocou fut longtemps meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il est décédé malheureusement en 2016. A noter que euh, ce sera la deuxième organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire qui avait accueilli euh, l'événement, vous vous rappelez, en 1984, en 1984, on est comme. <laughs> donc, euh, pour cette année, ça serait du 12 euh, janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Merci Gourouza pour toutes ces informations sportives. Après hein, cette page sportive, passons, passons au portrait. Oui, c'est nous. Et euh, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune boucher de Maradi, la ville économique du Niger. La boucherie est une activité génératrice de revenus qui s'élègue de père en fils et très peu de personnes embrassent cette activité sans appartenir à une famille de bouchers. À, à Maradi, malgré la modernisation qui remet parfois en question les mœurs ancestrales, Bachar Garba, un jeune boucher, trouve son salut dans son statut de boucher. Mohamed Maman est parti à sa rencontre. On écoute son portrait. Boucher, il est fier de l'être car c'est sa tradition familiale. Lui, c'est Bachar, très connu sous le surnom de Bachar Anyarima, au marché de Malamindaga. Forgé dans le métier depuis sa tendre enfance, Bachar a été formé pour être boucher et témoigne que cela fait plus de 25 ans qu'il pratique le métier. Cette activité de boucherie que j'exerce est une tradition chez moi. Je tiens fort à cette activité parce que je vous parle en tant que fils du chef de bouchers de Maradi. En plus de ce qui m'a poussé à faire la boucherie, en plus ce qui m'a poussé à faire la boucherie, c'est que dans cette activité, l'on peut facilement subvenir à ses besoins. C'est partant de ce constat que j'ai décidé au marché de Malamindaga, où il exerce son activité, c'est plusieurs quartiers de viande qu'on trouve sur sa table de coupe. Cependant, si Bachar arrive à payer lui-même ses moutons avec son fonds de commerce, beaucoup d'entre eux ont du mal à le faire parce que la précarité gagne du terrain dans le domaine. Je peux acheter un mouton à 50 000, 40 000 et même 35 000 parce que tout se fait en fonction du pouvoir d'achat de la clientèle. Ainsi donc, après la vente sur chaque animal, je peux gagner 5 000 de bénéfices. Je peux gagner jusqu'à 10 000 francs. Mais il faut reconnaître que les temps sont durs car je peux par jour vendre trois moutons. C'est avec cette activité que je subviens à mes besoins et même satisfaire les besoins de mes parents. Justement, c'est cette précarité qui amenuise le charme du métier, comme le dit Bachar dans Yarima. Pour lui, le manque de capital amène beaucoup de personnes à vouloir changer de métier. Les difficultés que nous rencontrons se résument à notre manque de capital. Il y a beaucoup de projets qui nous approchent dans le but de nous aider avec l'octroi des crédits pour constituer un capital. On se débrouille pour ficeler nos dossiers et à la fin tout tombe à C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas payer un animal par jour. Si les 500 bouchers, à peine une dizaine peut le faire. Au quartier des bouchers de Malamindaga, la concurrence entre les bouchers est palpable. Cependant, il faut le signaler, depuis quelque temps, ce métier est en proie à l'introduction des animaux abattus clandestinement, un phénomène que le père de Bachar le Yarima ou le chef des bouchers tente d'indiquer avec la collaboration de la direction de l'élevage. Merci pour ce portrait très inspirant. À présent, c'est le moment pour nous hein, de découvrir la, recette culinaire du jour. Oui, c'est nous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une sauce qui est faite à base de feuilles d'oseille, du poisson et de la viande de mouton. Comment prépare-t-on cette euh, recette qui est très prisée dans les familles nigériennes Pour plus de détails, suivons Hawa Ousmane qui nous partage son expérience. wanda kake so dai da shi ne zaka ci wannan miyar in ta ƙare da farko dai sai ki samu albasa albasa mai yar dama ki samu ya ki danya misali dai ki samu kaman kai biyu da kuma ki samu alayyahu shi kuma kai ɗaya sannan ana son attarugu da yar kanwa da yar tafarnuwa da ɗan gishiri da yaji sai kuma ki samu naman rago mai kyau wanda yake da mai amma kuma ba wanda yake da mai sosai ba sannan kuma ana son ki samu kihi irin wannan kihin da ake cin fason fime in wajen ku babu shi kina iya samun kihin ki mai kyau irin wanda bai da kayan nan kanana sai ki soya shi ki aje shi hura guda amma wurin soya kihin ha kar ki bar shi soyi kwarai har ya kai ga kyarmisha kamar irin wanda da an soya shi za a ci shi tare da tashi a'a to sai ki dora tukunyarki sannan kuma sai ki kawo wannan man naki ki zuba in namar naki yana da mai sosai kenan mai kamar karma ya isa in kuma naman bai da mai kina iya kara kaɗan bisa kar in kin dora tukunyarki sai ki zuba mai in yayi zahi sosai ki zuba naman ki da albasa sannan kuma ki ɗauko yajin miyan nan kisa sai ki bar su su soyu zuwa can sai ki haɗa ki, da ɗan attarugunki wanda kika kulkula dan gishiri sai ki zuba dan ma kuma dai ki ci gaba da soyawa sannan sai ki zuba ruwa wanda zai dafa miki naman zuwa can in naman naki ya dahu ita wannan yakuwar da muka yi zance tun da harin da ita da wannan alayyahu in kika tsige su kika wanke su sosai sai ki sa su cikin tukunya ta daban ki tawasa su kenan a nan gurin sai ki samu yar kanwa ki dan bala kaɗan ciki in ya dahu sai ki sa ki tace ba a so a zuba wannan ruwan a cikin miya zuwa can miyar taki kin tabbatar da ta yi daidai ta dahu sosai sai ki ɗauko wannan yako da kika dafa da alaihu wanda kika tace sai ki zo sai ki zuba a cikin wannan miya ita wannan miya tana buƙatar daudawa daudawa ta kalwa kenan kamar yadda na ci miki abincin mutum biyar ne kiyan daudawa kalwa in kika sa in kika sa manyan jimki guda ma ta isa an kuma ƙanana ne sai kin samu guda biyu kenan sai ki daka wannan dodowar taki sosai idan kina da wani dan attarugun ki kusa ko wani dan pavron kin san wani bai ta shi sai ki hada da su a lokacin nan sai ki zo ki zuba bayan kin zuba wannan yakuwa sai ki kara ɗan ruwa kaɗan sai ki bar shi ta walwasa amma ina jin hankalin ki gida kada ki sa wuta da yawa sai ki bar wannan daudawar ta shiga sosai a cikin wannan yakuwa haɗu tare da wannan miyar taki daɗa nan wurin kaɗan kaɗan kaɗan ki bar shi da hankali kwance har ya kai ga inda ya hu ya hiddu mai daɗa lokacin wannan miyar taki ta yi sai ki mai da ta hura guda kina iya yin tuwon shinkafa ko kuma tuwon masara to ni dai mafi akasari na yin wannan miyar da tuwon masara Voilà, chers auditeurs, euh, j'espère que vous avez pris note. Fanta, fini la cuisine, on revient au studio pour découvrir le loti du jour avec les femmes du studio Kalangu. Tout à fait, c'est un aussi matin, elles évoquent le sujet des maricides, qui veut dire meurtre de l'époux par l'épouse. Oui, un phénomène euh, qui est fréquent hein, chez, certaines femmes que hein, quand leur époux décide de prendre une seconde femme, Rakia Arimi et Samira Rouafi nous en disent plus. Affairage, affairage, affairage, Il va venir me trouver dans cette maison. À qui il va faire ça Moi, qui étais là depuis ces jours sombres. Hum. Voisine, bonjour. Je t'entends depuis ma cour. Je pensais que tu étais au téléphone, mais je me suis dit que vaut mieux m'approcher et voir ce qui ne va pas. Rien ne va, ma belle. Regarde-moi très bien. Est-ce que je suis vilaine Non, mais c'est quelle question ça Ah donc, si ce n'est pas ça, c'est que je suis vieille. Tu n'es pas vieille non plus, mais pourquoi toutes ces questions <laughs> hum. Mon mari veut prendre une seconde épouse. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, il veut prendre une autre femme. Maintenant qu'il a de grosses voitures et des villas, tout je t'ai dit, tant que je serai vivante, ça ne se passera pas comme ça. Attends, Marie, calme-toi. Calme-toi un peu. Ce n'est pas la fin du monde et tu n'es pas la première à qui on a fait une épouse et tu ne seras pas la dernière non plus. Il faut l'accepter pour la paix dans ton foyer, surtout pour tes enfants et faire preuve de sagesse pour que ton mari et celle qui va venir te respectent. Quoi Jamais. S'il persiste sur cela, je serai capable de tout, même du pire, je te jure. Subhanallah, ne parle pas comme cela. Nous sommes des musulmans avant tout. Tu sais, si tel est ton destin et que c'est déjà écrit, tu dois l'accepter. Ne fais surtout pas des bêtises pour te créer des problèmes. Hé, hey, Kadi, tu ne sais pas de quoi je suis capable. D'abord, je le tue je me tue. Après, on verra comment le mariage aura lieu dans ces cas. Subhanallah, tu es. Tu veux assassiner ton mari à cause du mariage Fais attention à ce qui sort de ta bouche voisine. Contrôle ton langage. C'est très grave ce que tu dis là. Tu risques gros avec la justice. Justice Bien sûr. Dans le code pénal nigérien, l'auteur de meurtre risque la prison à vie et même la condamnation à la peine de mort. Si des circonstances aggravantes sont prouvées, dans le cas de parricide, l'empoisonnement, et l'assassinat. Qu'est-ce que tu veux me raconter toi là La peine applicable varie en fonction de la forme et la gravité de ton acte. En plus, tes enfants vivraient dans la honte. On leur dirait regardez les enfants dont la mère a tué leur père. Ils te détesteront à vie. Et le pire pour toi, tu les laisseras orphelins parce que toi tu n'es pas là. Tu sais pas quand est-ce que tu sortiras de prison au cas où tu n'arrives pas à mourir quand tu vas essayer de tuer ton mari. Ressaisis-toi ma chérie. super <laughs> <laughs> en tant que présidente des femmes qui font la loi chez elles, qu'est-ce que les gens vont raconter Si j'accepte qu'ils se marient, aucune femme de mon association ne me respectera. Je suis foutue. Pense plutôt au bon côté des choses, ma belle. Tu l'auras comme une petite sœur. Vous partagerez toutes les tâches et tu vas te reposer et te concentrer sur tes enfants. Et nous partagerons mon mari aussi et mon argent de poche. <laughs> Mais c'est le prix à payer toi aussi. Mais tu verras, si tu la traites bien, tout marchera comme sur des roulettes. <laughs> Quand ton tour viendra, tu sauras ce que je ressens. Moi, j'en ai déjà deux, je te rappelle. On n'habite juste pas ensemble. Ça, c'est ton problème à toi. chers auditeurs, c'était le loti offert par les femmes du studio Kalangu. Retrouvons cette fois-ci Jacqueline Dalton pour la culture linguistique. Jacqueline, c'est la responsable éditoriale de la Fondation Hirondelle et aujourd'hui, elle va nous expliquer en anglais et en français le mot Pâques. Hello, bonjour. Mes collègues à Studio Kalangu m'ont demandé de vous expliquer le mot Pâques en anglais cette semaine. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment Pâques, c'est une fête d'origine chrétienne pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ après sa mort. Et en anglais, le mot Pâques, c'est Easter. Easter. Et hier, c'était le dimanche de Pâques, et en anglais, dimanche de Pâques, c'est Easter Sunday. Sunday, ça veut dire dimanche. Et le mot pour lundi en anglais, c'est Monday. Donc, savez-vous comment dire lundi de Pâques Bah oui, c'est Easter Monday. Hier, c'était Easter Sunday. Aujourd'hui, c'est Easter Monday. Et pour souhaiter des bonnes fêtes de Pâques, on dit en anglais Happy Easter. Alors, happy, ça veut dire heureux en fait, mais c'est un mot qu'on utilise pour souhaiter bonne fête pour plein de choses différentes. Donc par exemple, on peut dire Happy Birthday. Savez-vous ce que ça veut dire Happy Birthday, bah, ça veut dire joyeux anniversaire. Happy Christmas, joyeux Noël. Happy New Year, bonne année. Donc happy, c'est le mot pour souhaiter des anniversaires. Pour de nombreuses personnes, Pâques est également l'occasion de passer du temps avec la famille et de participer à des traditions, telles que les chasses aux œufs de Pâques et la consommation d'aliments spéciaux de Pâques. Ici en Suisse, comme on adore le chocolat, on fait des lapins de Pâques en chocolat. Donc, le week-end de Pâques, tout le monde passe son temps à manger des lapins au chocolat, y compris moi. Alors voilà, Easter, Easter Monday, a Happy Easter. Those were today's English phrases. And Happy Easter to you. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Jarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un, vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. À présent, écoutons, n'est-ce pas, euh, les vocaux de nos auditeurs sunana alka ibrahim a nan garin cirozere masha allahu istidiyo kalangu muna jin daɗin kasancewa da mu a cikin wagga jiha ta mu ta agadez da duka garin cirozerin muna jin daɗin shirye-shiryen su da suke bayarwa a kowane lokaci to alhamdulillah bisa kan wannan fannin shirye-shiryen su ba a cewa wanga shirin ya burge wancan bai burge ba amma shirin wanda ya yi a gare ni na hiso shiri ne na tus alafada da wannan shiri nasu na karhe goma sha ɗaya alhamdulillah Abin da suke yi babu abun da zamu ce sai dai mu gode Allah ko mu ci Allah ya kama musu saboda akwai shirye-shirye wanda Brema ba su hidda talaka ba ba su hidda mai kuɗi ba kowa da kowa sun saka shi cikin tahiyar su gabaki ɗaya gaskiya muna ma sha'a da kasancewansu a cikin jahohinmu. suna na zara abdulwahab wannan labaru na sidiyo kalangu muna jin daɗin shi to muna samun labaran da ke faruwa cikin ƙasa to muna jin daɗin wannan labaru nasu ba su bar ɗiya mata baya ba ni ne umaru mai gyaran tele a nan ta tasa shi dai studio kalangu da muka fara jin shi mun yi murna da samun shi mun yi murna da ma'aikatan radio kalangu saboda abu ne da muke ɗan jira dama ya hi birge mu muna samun labaru abinda suke wakana game da labaru tatacci na kirki wanda babu wani kokonto a cikin wannan labarin nasu saboda ni mabukacin ne a yanzu haka ina da bidiyo normal tasu wanda yake na ga ma'aikatan na san su kuma na ji akasari ya birge ni ina ɗaukar lokaci fa zuwa ma wani lokaci sai kamar radio sai sun ƙare ma in kashi ra'ayi na Allah ya ƙara musu basira kuma ya kara musu kwarin damce yadda za mu samu kuma labarin da suke waka na game da mata ko yara ko kuma da suka tace labaran yayi kyau muke hin jin daɗin shi saboda akwai wani lokaci ma in aka ba da labaran sai mu ga kawai ba su yi ba sai mu dan jira mu ce bari mu ji radio kalangu yanzu suke buɗa da ma sun buɗa ko halishin hausa ne ko na hillanci ne ko faransi ne kawai sai na ji kawai kamar ma ina cikin su akwai lokacin da suke yi da faransi kin nan abu na ma sha'a kawai wani lokaci sai in ga kawai kama kasu ba bari ba wani lokaci Voilà, chers auditeurs, nous sommes presque à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu. Mais avant de se dire au revoir, notre collègue responsable de la grande édition du soir va nous parler des grands titres. Bonjour Moussa Hassan. Bonjour. Alors, quelles sont les grandes lignes de l'édition de 17h Effectivement, au menu de notre journal de 17h, il sera question de l'attaque d'un convoi militaire hier matin entre Arlit et Tchibarkaten à, environ 180 km de Tchibarkaten ayant occasionné malheureusement la mort de 5 militaires et 5 euh, autres blessés et plusieurs matériels euh, détruits. Nous parlerons aussi de cette nouvelle saisie record de drogue dans la ville de Gatawani, où la brigade fluviale de douane de Gaïa a mis la main sur euh, plus de 400 briques de chambre indien et plus de, plus de 200 comprimés de diazépam. Dans la partie magazine, le juge de le juge des mineurs au tribunal de grande instance de Telabiri nous expliquera quel est le rôle de ce juge des mineurs, quelle est sa compétence et à qui il doit s'adresser. Donc c'est tout pour ce journal de cet après-midi. Merci beaucoup Moussa. On se dit à 17h. Merci. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, les Hindadi Karewa. Nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même Ali Moukela Ouseni, dit Seno. La technique était assurée par Seni Isaka et Adama Dawaki à l'édition. Excellente journée à vous et bonne rupture de jeûne à tous. bye. bye.